sanye sanye saburo sabara biya kasoro chizo saburo jema kasoro sanye ah Bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse du Niger. Le Niger est un pays de transit. Pour les candidats à la migration irrégulière pour l'Algérie, la Libye ou l'Europe, des milliers de migrants passent par le Niger, selon l'OIM. Il s'agit de personnes venues des pays de la sous-région, dont une grande majorité vient du Nigeria, Mali, Tchad, Soudan, Cameroun, etc. Le 11 mai 2015, ladies and gentlemen, le Parlement nigérien a voté une loi qui criminalise la migration irrégulière et l'activité des passeurs. Ce soir, nous sommes à A. Et nous partons à la rencontre des jeunes ex-passeurs des migrants, des varentiers, afin de voir comment arrive à joindre les deux bouts après la loi main 2015 qui criminalise toute activité en lien avec la migration. Monsieur Nigerano, je vous ai senti tout à l'heure offensé sur l'émission. Ça a bloqué vos business, le fait que la loi a été d'une manière ou d'autre mise en vigueur en 2015 Très bien même. On est complètement euh, à terre. Yeah. Nous les avions reçus en première partie d'émission avec Rabi qui a discuté avec ces jeunes ex de leur situation, comment ils ont vécu, l'interdiction de leur activité, leur collaboration avec les partenaires. Au Niger, un migrant peut dépenser 200 à 250 000 francs CFA par semaine pour se loger. Je ne dis pas le contraire, j'espère. Se nourrir et pour son transport jusqu'en Libye. C'est long. Président de l'association des ex de migrants, c'est lui qui nous avait quand même fourni ces informations. Une manne économique dont ces derniers ne profitent plus. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir que font ces jeunes, quelles sont les reconversions Comment perçoivent-ils leur avenir sans leur activité Ça fait du business pour d'autres. Donc d'une manière ou d'une autre, d'autres aussi jeunes, ils partent dans le désert pour mourir. Et ils ont l'habitude de nous dire que je préfère mourir à mer que de mourir devant ma mère. Pour avoir les réponses à ces interrogations et plus, Suivez le fil conducteur de l'émission tout à la Fada. Tous à la Fada, c'est une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. C'est une production du studio Kalangou. Aujourd'hui, nous sommes avec la jeunesse d'Agadez. On s'est déplacé. Nous avons parcouru plus de 900 km à la rencontre de ces jeunes. Vous allez donc vous exprimer dans un instant. Hey! On en parle donc tout de suite et maintenant au cours de 35 minutes de discussion, échange avec nos invités pour participer à l'émission. Pour ceux qui nous écoutent, envoyez vos commentaires au 80 06 88 54. Si Don dit la machine opérationnelle, je sais que Mr. Olivier aussi, il est de la partie. C'est le jeune qui présente la chronique consacrée aux jeunes. Cette chronique parle du buzz, de l'actualité et de tout ce qui va avec. Alors Olivier, de quoi parle le texte Eh bien, euh, ce soir, on va parler de nous-mêmes. C'est très difficile de parler de Parler de nous, c'est-à-dire Bah nous, le programme Jeunes, nous, la FADA, nous, l'actu des jeunes, nous, ces jeunes du studio Kalangu qui partent à la rencontre des jeunes du Niger pour leur donner de la parole et aussi pour écouter leurs inquiétudes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas fini, frère. C'est pas encore fini, frère. Donc on se donne exactement rendez-vous dans 25 minutes. Eh bien, merci, mon frère. Bonne Nous émission. Ensemble. Merci bien de choses après. Est-ce que vous êtes OK, vous êtes prêts Si vous êtes prêts, donc décollage immédiat. Ah, ah! Nous sommes exactement où Monsieur le Président des jeunes communales, parce que cette fada est consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes à la place d'Egui. D'Egui restaurant d'un qui s'appelle Il est aussi jeune. Oui, c'est un jeune. Et nous sommes plus précisément à Las Vegas, Degui. Hey. Migration irrégulière. Quelle perspective pour les ex de migrants d'Agadez. C'est le thème du jour, mesdames et messieurs. Monsieur, on va commencer par vous. Vous allez vous présenter. Ça va Vous êtes en forme oui, je me présente, mon cher jean Je suis le président de coordination de FADA Actif d'Agadez. Il est le président de FADA Actif d'Agadez, c'est On peut lui faire du bruit, s'il vous plaît C'est un jeune quand Merci. Monsieur, c'est la même FADA Non, non, non, moi c'est Bachir Amma, président des ex-prestataires de la migration président des ex-prestataires de la migration. Il, a certainement vu son business bloqué, c'est ça Oui, oui. Ah voilà, il dit oui, oui. Je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Je suis aussi avec un jeune frustré. Il s'est senti offensé sur l'émission. J'ai senti ça dans la conclusion de l'émission d'hier. Il répond au nom de Nigérano. Alors, elle, Nigériano, ça va, vous êtes en forme Je suis très en forme. Nous allons aussi vous sentir sur cette émission. Oui, exactement. Super. Tout compte fait, vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, non. Nous ne sommes plus le de 10 sur l'émission. Je ne suis pas là pour ça. Super. Merci en tout cas pour cela. Le monsieur, il est habillé en blanc, il est choco. Vous qui êtes en train d'écouter cette émission, je vous donne une idée déjà de comment est-ce qu'il est. Un garçon choco. et vous portez quoi le, Un turban bleu. Bleu. Hein, la signification du turban, c'est quoi Bleu, euh, bleu comme la couleur donc de l'eau, et oh, l'eau qui est vitale. L'eau est vitale. Voilà. C'est pour ça que vous avez opté pour la couleur. Exactement. Alors je suis avec une dame, une dame qui œuvre aussi, qui sensibilise. Je ne sais pas si elle est pour ou contre la femme c'est une créature sacrée, elle est issue de la côte gauche de l'homme, près du cœur pour être aimé et sous le bras pour être protégée Je vous demande de faire un maximum de bruit pour la femme. Ça va, madame, vous avez la parole. Ça va bien, ça. Vous êtes bien entourée, vous êtes en sécurité. Ouais. Ça va Vous répondez au nom de Moi, je m'appelle Achette Mohamed Salom. Je suis la coordinatrice d'une jeune ONG dénommée Non à la délinquance juvénile et à la prostitution des jeunes filles. Maté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. C'est la première partie de l'émission. La première question est destinée au monsieur en bleu. Monsieur Ali Adamouidi, dites-nous comment se pratique le travail de passeur de migrants vous avez certainement un certain nombre d'informations. Je vous ai suivi avec attention pour rappel. Comme son l'indique, un passeur de migrants, c'est quelqu'un qui crée les conditions pour que quand les migrants arrivent ici à Agadez, mhm. donc il prend toutes les dispositions, ah. celle d'abord de les accueillir, mhm. celle de les loger, mhm. celle de les nourrir, et puis celle de les convoyer, donc jusqu'à ce qu'ils arrivent à la destination. Donc parlant d'Agadez ici, ça veut dire que quelqu'un qui reçoit des migrants qui arrivent à Agadez ici, il les nourrit, il les loge et il crée les conditions pour qu'ils passent à Libye. Euh, comme vous le savez, Agadez c'est une nouvelle carrefour. Voilà, ah, Donc le passé des migrants, ce ne sont pas de petits types. Hein? Ouais, vraiment quoi. C'est des hommes de terrain, comme voilà. on dit. Ils maîtrisent le désert. Voilà. Agia, Aitonga, Namade, Ankano, Achi, sont indignes gamara. Borem stuchar saikulu. Boreo go kigote no no dikan. normalo daino wolmo binde eh, luwani kangi, sambu imam kin, sambu irim stuchar saikulu ne o fada sanino bo ni liberté nim ce ko kanagba. La loi 0635 de 2015 mhm. mhm. mm hanano manti luwa hannano zama akan di cikas bobu ne wo a zama jeune bobu gono kan sin da mm. um, beaucoup des ex-passeurs ou des passeurs mhm. ont été arrêtés ini dabu kwani manti ba prison kan gone wo a gare din sambu ifamiye si qui si Kwaro Bumboda. Zama mm. oncle a été victime de ça. Mm. Une semaine, il famille était une semaine. Il gogare chercher. Il se Kago. Mm. Wiza, Wiza, il était à la mm. prison civile de Niamey. Mm. C'est après une semaine qu'ils ont su. Ok, donc quand Misaliga, Kafananoa. Ah, Irman ah, Sanos. Président, tu fais partie de ceux qui ont certainement fait passer beaucoup de gens à travers le désert. kana e ka ga mini misali mutane nawa ne kun yi transporte dukun ko hare aikin nan zuwa lokacin da an ka saida kana e ka bani wani estimation haka nan eh bani iya baka misali mhm. kama mutum ne muka tura amma dai na san da mun tura mutane da yawa mais est-ce que vous vous organisez ko ko haka nan chacun travaille individuellement ah, muna gane mu juna muna wannan aiki mutum guda bayan shi mutane da yawa ne aikin shi kungiya ce hmm. sai kun yi takarda kun nemi incin ku wannan aikin sai kun yi takarda sai kun yi takarda sai kun yi agence de voyage ba haka bane ake dokan mutane cikin tasha da su hmm. mutane sun biya lokacin nan landi landi ne ake taya ba kullum bane ake taya c'est hmm. chaque landi tare da convoi militaire jusqu'à Durku ah vous êtes eh, organisé ba haka bane ake taya kamar yadda luwa in nan tacci hmm. ita dokar nan kawai an yi ta saboda aka mu kudin nasaru ne shikenan kawai me busan abin da kenan ba nan agaras da wannan aikin ne mutane suke rayuwa yau da suka tsaye da wannan aiki mutane mi suka koma kamar yadda waccan ta gaya muku yau agadas ina ji kamar ta koma kamar kolambi mm. kowane lokaci pulse na kama mutane yan shan kwaya mm. kwaya cikin titi ma ake ba su da aiki ko ba su da aikin da saya kak barin ba wannan magana yana da sa'ayin yana so yi magana combien cela vous rapporte dans l'année ou en un seul voyage parce que ça a bloqué vos business kana ka ga mun mine jeune cin suna samu cikin wannan abubuwa par an estimation eh, bisa raka immigration eh nan garin ga gari ne wanda yake immigration ke rike da shi kamar sai in carrefour in daga algeria ka zo in daga libi ka zo in daga eh, ina kake ma mm. sai ka biyo nan ka wuce ah! kuma mutane abin da suke samu da ɗiyan kasuwa da wane ne dukka activity kin bisa immigration kenan a naka gani an halaka ku l'artiste s'exprime sur l'émission Tout à la fada vous le savez déjà l'art est au début à la fin de tout développement et sur le studio Kalangu nous donnons la visibilité à ces jeunes artistes de se prononcer la rubrique culturelle mesdames et messieurs on kiffe et tout de suite la suite hey nigérienne Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalango présente l'artiste s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement de l'artiste Roba Roba. Il était hier sous l'émission Franco Aoussa tous à la FADA, nous avions parlé en question du parcours du combattant. roba roba kun roba roba donc kaman de de yana aka aka c'est avec ça qu'il a commencé voilà. roba roba est né en 1988 mesdames et messieurs roba roba est artiste nigérien confirmé vivant dans la Yira Roba Roba, la machine d'Andy te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Très bien. Très bien. <laughs> Alors, aujourd'hui, nous allons, bien évidemment, avec tes potes, avec tes frères, parler un tout petit peu de ton contenu. On va parler, et eh bien évidemment, euh, de, de, ton album, on va parler de tes projets, on va parler de tout ce qui va avec toi. Uh-huh. Bon, ok. On va parler un peu de ton album, on va parler un tout petit peu, euh, euh, n'est-ce pas, de tes projets. Roba, Roba. Uh -huh. Nafara Sida Comédie 2017-2018 Son de son comédie, c'est quoi c'est des ah, on le fait sur l'émission c'est ça aussi un peu si tu veux euh, la finalité de l'émission c'est pour avoir un tout petit peu tout ce que tu as de disponible on peut faire la chanson en direct euh, pour permettre à tous ces jeunes qui kiffent cette émission euh, donc d'avoir n'est-ce pas tout ce qu'il faut concernant bien évidemment ta toute première sortie نتما معنا واكا دواكا نتمي معنا واكا دواكا عيواكا نيكم إناي كندانا غانكنا بيكنا بايك فلو او او او يا راكب الله بايك كيجيني علو او او او يا Patricia, on va continuer. C'est qu'ils avons commencé. Ah, mesdames et messieurs, ouais, ouais. tout simplement chaud. Et nous sommes à Agadez, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la capitale de l'Aïd. Aroboroba, bayan wonnam mine ne kauta. kuma na fito da yalamari na zari da bagwari sabdir kwa sabdir ke kama ya nemo muna cikin afrik mhm. kuma an afrik in za a mana bayani ba a mana shi da yaren da za mu ganewa mhm. sai a mana shi da wani yare wanda yake ba na ƙasa ba ok bala. haka ne yake mais ça donne quoi on peut avoir un peu sur l'émission ouais, les flots parce que ça aussi le deuxième angle tu vois eh, yalla mari nazari da bagwari akwai hadari nazari da sigari kai da bake kirin kirin gwara bake kirin kiri agadas agari aka mu da dama akan nema ai ba mu zalama mata na gari tsabta suka kama na mais dis dis moi les idées là ça quoi cette inspiration Tu es malade Ok, d'accord, tu es un artiste handicapé, tu de talent, ça te vient. Dis-moi, la source d'inspiration daga ina ne wannan Bon, ina same su ne kamar de manya-manyan artist wannan. A wannan kowa mun tabi wannan irin da kake na. Da zai ci diyalla. Kamar suna bani ide hakan ga. No, le flow, le Eh, wai wai. Kamar suna ce mini kamar rim eh yana gyara waka. waka. waka ni kuma sai na gani irin garin ka kama ka gama wanga da wanga da irin wanga da wanga su baka abu kaza sai na ce ko bari in ta gaggama su kuma sai in ga suna ta yi normal wai wai tu as combien de, de, de chansons disponibles déjà peut-être 6 uh, qui six. sont disponibles ouais ouais Moussa Mubiyu ko uh -huh. sauran fa sauran su ma suna nan suna nan ouais ouais suna nan ta he suna nan déjà an sako su ne ma zamu kawo projet kin a euh, roba roba mhm. c'est quoi les projets de l'artiste mine ne projet kin ka ah, mon projet yanda yake gabana yanzu dai hmm. in samu in yi studio Eh, person nawa mm. kuma mu a tele la mhm. ita ma in samu in ga ta ci gaba dai bala mm. kenan bayan waka kana yawan an sabu ba a ina dan wata yan business a kan ga wai mu samu maganin mu nemi maganin sabro tudna kana da mhm. projet mhm. mun kai karshen shiri kana da kira est-ce que tu as un appel à l'endroit des bonnes volontés un appel à l'endroit des autorités dan su kawo maka naka kokari parce que wallahi kana da flow Petit de talent, tala ya kamata a kawo maka nasu kokari en tant qu'artiste vivant à Agadez et qui veut faire rayonner la culture nigérienne à travers le chant, la danse et la comédie. L'instant est solennel. Une minute de temps d'antenne pour toi, mon. Ok. kama yanzu matasan mu na Nijar ma dukansu kwata-kwata dukansu duka tun daga na fara har na karshe ma mhm. kama suna da abin cewa kuma suna da talan mai rishin tallafawa educate shine yake ganin ana jima ba aka yi inda ake so ba mai mhm. ana tallafa mu matasa saboda ƙasa za ta ci gaba saboda ƙasar ga in ka lura katurban fursan duka matasa ne mhm. kuma su ne komi su ne ƙasa da tun asalin kinta ma duk inda ka je harka wata sai ka gani matasa ne mhm. kenan dole ne mutane suna bukata tallafi suna bukata taimakawa dai c'est demain qui se lavent, mesdames et messieurs ils ont besoin d'être soutenus à l'instant T c'était donc Roba Roba sur le studio Kalangou. Hey. À l'instant T, c'était Mr. Roba Roba sur l'émission euh, Tous Salafada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous allons continuer ce que nous avons commencé. Nous parlons de la migration irrégulière. Quelle perspective pour les expasseurs des migrants de la région d'Agadez Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous avez la possibilité de nous envoyer euh, vos messages ou de participer carrément sur l'émission en nous envoyant vos commentaire au 80 06 88 54. Donc dit opérationnel, c'est mon nom. Je suis à Agadez, mesdames et messieurs. Nous sommes à Las Vegas de Degui avec les ex les jeunes, euh, bien évidemment frustrés de la région d'Agadez. Nous sommes à la FADA, nous sommes autorisés à dire tout ce qui nous vient en tête. C'est ça aussi l'esprit de la FADA. Monsieur Almahadi, vous avez certainement écouté avec attention les jeunes de la région d'Agadez sur la question de l'immigration irrégulière. On voudrait avoir votre avis par rapport à ce qu'il vient de dire, ça c'est un. Comment avez-vous accueilli la loi contre le trafic de migrants Quels sont les difficultés que vous avez rencontrées avec l'arrêt de votre activité. À combien estimez-vous le nombre de passeurs touchés eh, Merci bien. Je vous en prie. Tout d'abord, euh, je voudrais vous annoncer ou vous dire tout simplement que, en tout cas à notre niveau, l'association régionale de sans-emploi, nous étions les premiers à dire que c'est une, une association de jeunes sans-emploi. Association régionale de sans-emploi. Sans-emploi, Donc vous êtes le président. Exactement. Et c'est parti de la loi 2015. Non, elle est là depuis 1995. Nous étions les premiers à réagir par rapport à cette loi mais vous, avez fait l'affaire, non Non, ça ne fait pas l'affaire parce que qui parle de chômage parle d'une certaine euh, asphyxie sociale. D'après la lettre que nous avions donnée au niveau du gouvernorat, du conseil régional, nous sommes de ceux qui ont pensé que cette loi est antisociale. Nous le réaffirmons ici et toujours. Pourquoi Parce que quand vous prenez la situation d'Agadez, c'est une situation d'asphyxie. Hmm. Nous avions connu pas mal de situations qui ne font qu'accentuer la situation. Vous voyez, par exemple, la fermeture de, certains sites aurifères, à une hygiène qui est ici vers Ingal, mhm. Imou qui a fermé, mhm. et encore la loi 036 qui vient fermer tout. Je tire chapeau à la jeunesse d'Agadez, je tire chapeau à tous ceux-là qui résistent mhm. dignement et dans l'honnêteté pour pouvoir gagner là. Bien sûr. Parce que qui parle de toutes ces situations-là, en réalité, vous comprenez effectivement que nous sommes asphyxiés économiquement. Super. Monsieur, on va vous permettre de poursuivre la discussion dans un instant. Mais on va donner la parole aux jeunes. Alors, monsieur le jeune, dans quelle situation ces ex-passeurs aujourd'hui se retrouvent Parce qu'ils disent que euh, quand les jeunes ne sont pas du tout occupés, des fois, ils s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas du tout Alors, parlons de la situation. Depuis la loi 2015, ces jeunes ex-passeurs-là, ils deviennent quoi Merci, Dandy. Depuis 2015, que cette euh, loi criminelle parce que pour moi c'est une loi criminelle. Une loi criminelle. C'est une loi criminelle. C'est les jeunes qui s'expriment sur l'émission tout ça la fada. Et depuis cette loi, il y a eu des reconversions. Il y a eu des reconversions. Il y a de beaucoup d'argent qui ont été injectés. Mais malheureusement, dans la reconversion, ça a été un échec et malheureusement, même les politiciens se sont mis dans les affaires de l'immigration. Il y a eu beaucoup de, jeunes qui ont été frustrés par rapport à ça. Il y a même ceux qui sont devenus même des, des trafiquants de drogue trafiquants de drogue, des convoyeurs de drogue, de drogue, des coupeurs de route, de route, des criminels, criminels, des orpailleurs, des voleurs. Jusqu'à présent, il y a même ceux qui transportent des, des migrants. Ok, monsieur le jeune, merci donc pour cela. Nigerano et Nigerano, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec l'arrêt de votre activité À combien estimez-vous le nombre de passeurs touchés Si vous pose la question, parce que tu n'as pas de façon officielle dit que tu fais partie des ex-passeurs. Attention. Ok, d'accord. Je ne suis pas un ex-passeur. Ok, mais vous avez une idée de comment est-ce qu'ils sont devenus les ex-passeurs C'est une question piège. kan Ayubu Sakwa. D'abord, d'abord, irsig tugu haikulu. Mhm. Zama an duniyo bon an da mize irko hinna na ga hamburu. Oh, ya dinna. an da mizi misin humburan an da maizi fo kuno sir humburan da misin jama hay kan segi faman dini se faman migration o sonno kan ka irgo gitewu mm. migration sonno bor foye iginir se inite imango gudwa se du bari ir sanno su koy non kulu zama se ni go ga fa migration wodin sanno an agadas goyey bobo kayen barfo y oh. me an preband créé kreye preband oh. preband bobo des no kanga fur nyamai oh. Il nango migration son nono kan dey ina tenge business ina tenge business oh aram waran go lebu lokta ni fam wala oh, oh, oh, oh. personnellement ay cité migration ay menti chauffeur mhm. ay menti coxer mhm. ay menti convoyeur mais mhm. ay gogo fam ni ke ay do

kayen mongoro kayen te kasi de zero bon kangato 94 borien kan bu irse ir nigerian ngai boreno no wori no nan niger gwamnati akwai gidi lalle matakanti mu ane borai go galebu borai go galebu oh. donc il faut no gite son imudu loi fo juridiquement kangena hayao, ima kayendi ima gangi me manta ifo no di no araka fun kulu me son europe haya ga hanse oh ane vraiment ir ir fangala aran bombodano ah. aran go ka ir labora aran go gi te ir se hayo bobaya oh nge mo ino wodan dan irne ibora du to yodo ni yobo kuli ne bon hangare semba no no hangare ban wani to ban kuli ne nigerian ai se kan nigeria ai se ba goi dini no 1 million 500 kuli gidan e ga moyo tabu wore no te ai bora ah. migration sonno iro sabanen di son wala suba sifa iro mi timi tar sifa iro surfa ekes ekes ekes ekes ekes odin ngono ngner ko gangan sauti ar gangan musique nous sommes jeunes et la musique c'est notre source d'inspiration nous allons donc écouter ce jeune artiste nigérien on l'appelle Yakbi il a chanté Aïna Bero baba nya

Tant c'était Yakbi sur l'émission Tout à Fada. Cette émission, vous le savez déjà, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous parlons, mesdames et messieurs, de la migration irrégulière. Quelle perspective pour les ex-passeurs euh, de migrants de la région d'Agadez Nous sommes toujours, euh, bien évidemment, à Las Vegas. Las Vegas de Didi, en plein cœur de la capitale, donc de l'Aïr. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On l'avait annoncé en début, on l'appelle Mr. Olivier le garçon choco de la Fada, après la chanson de Yagbi, il va se pointer tout de suite et maintenant pour nous parler un tout petit peu de l'actualité. Aujourd'hui, il a décidé de parler de l'équipe jeune du studio Kalangu. Deux ans aux côtés de la jeunesse nigérienne et nous avons sillonné le Niger. Nous sommes à Agadez. Présentement, nous étions à Dosso, on a fait Zender, Maradi, Tawa, on a fait Tilaberi. Mesdames et messieurs, ça ne reste que Difa. Difa pour bientôt. Alors les jeunes du studio Kalangu ont apporté quoi à la jeunesse nigérienne Merci beaucoup, Dandy. Beaucoup de force et d'énergie. Amis de la FADA, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de nous. Nous, l'équipe jeune, nous, l'équipe de la FADA, nous, l'équipe du studio Kalangu qui travaille jour et nuit pour apporter de l'information ou bien pour aller collecter de l'information auprès de nos amis jeunes. Ah. Amis de la FADA, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Le 1er juin 2021, l'actu des jeunes et la FADA ont fêté deux ans le programme Jeunes du studio Stalangou a célébré alors ses deux ans d'existence. Pour ceux et celles qui nous écoutent, depuis le début, vous aurez remarqué que l'équipe de la FADA s'est déplacée de région en région pour collecter de l'information auprès des populations, surtout les jeunes. À chaque étape des émissions réalisées sur des thèmes d'actualité de chaque localité. Les FADAS s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. À chaque fada, c'est une nouvelle forme d'énergie, un nouveau sujet, de nouveaux invités et surtout un nouveau public. Pendant ces deux ans, l'équipe jeune du studio Kalangou non seulement a grandi et aussi a pris des coups de maturité. Et ceci grâce à vous, auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Le programme jeune du studio Kalangou, c'est 35 minutes de fada chaque samedi et dimanche. C'est aussi 8 minutes d'actualité jeune dans les 5 langues. Le programme jeune, c'est de l'innovation et de jour en jour, pour le plus grand plaisir de nos éditeurs. Et oui, juste parlant d'innovation, l'artiste à s'exprime est la dernière en date. Et Mr. Dandy est au cœur de cette innovation. Eh bien, la chronique de ce soir, c'est l'occasion pour nous de vous remercier de votre fidélité sans cesse renouvelée. La route est certes longue, mais l'arrivée sera belle. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, on conclut la chronique en disant paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Que Dieu bénisse le Niger, son peuple et les expasseurs. C'est de cela qu'il s'agit. Merci, Mr. Olivier. Nous sommes sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes pratiquement à la fin. Eh, on va permettre à un jeune de s'exprimer. On l'appelle Ousmane Biano. Ouais, il porte même euh, le nom euh, Biano. Parlons de Biano sur l'émission. Biano, ça veut dire quoi, Biano euh, en fait, bien c'est une fête euh, qui s'est faite chaque année. Une fête euh, chaque année Oui, dans 9, oui, dans l'Aïr, effectivement, au centre historique et de la vieille ville d'Agadez aussi. Et cette année, vous avez prévu quoi Effectivement, cette année, c'est vraiment... C'est du spécial C'est spécial. Le spécial est qu'il y aura beaucoup des invités internationaux uh-huh. qui, seront là, qui peuvent permettre vraiment à donner un cachet particulier à cette fête. Président, an yanzu kun ko menene e, to an canza aiki mm. waɗansu suna kasuwanci wani irin eh, kasuwanci ne kasuwanci kala-kala waɗansu kuma sun sayi motoci suna taya arlit waɗansu suna taya ingel mm-hmm. waɗansu kuma sun yi shaguna mm. eh, waɗansu kuma suna nan ba su da aikin komi mm. wani suke ba su aiki komin nan kuna da labaru su mine suke nan gai suna nan buge-buge suna taya jado ko kuma cibar katan wani wuri haka dai ta ya nema nema kuɗi saboda kana da iyali ba ka iya ka zamana haka nan me kamar lokacin da suke aikin migration ba saboda aikin migration yana ka kuɗi in an ce maka landi ne agars za ka gani kamar sallah ne kowa yana activity kuma kowa ya san da zai samu wani abu ku president kin fara ne ya kuke gani wanga reconversion kin wanda daga expasser sun zama suna haka ya kuke gani eh waɗanda yake da suna activity wannan mm. su ma sun zan immigrant ban gane ba eh sun ta yi wanda suke aikin nan eh, su ma <laughs> sun bi hanya immigrant eh yanzu ake kaiwa <laughs> eh. wani kira ne gare ku kiran da gare mu ya kamata kamar mutane population waɗanda suke zamana a garas mm. saboda wanga activity na immigration eh. shine yake rike da su mm. yau mutunan da ya saba farjur in ya hudda mota za a samu 'yan miliyan 500 mil ko 2 miliyan yau ya kasance ka ɗauki san mil ko 'yan miliyan san mil ka mm. bashi mi mm. za su gyara mi mm. kenan da mutane duka waɗanda ke da amfani da wannan kuma kiran da muke da gwamnati ya kamata kama in za a abu akwai mutane waɗanda actor hmm. waɗanda suke nan na immigrant na juan na uh, association sans emploi na wane ne su ne waɗanda yake actor uh, waɗanda suke tare bisa wannan aiki su ne kamata yau waɗanda ke mutuwa bisa hanya su wane ne sai dai juan ba hmm. tsahi ba ne hmm. kenan ya kamata a ce duk abin da ake mutanen na actor ne su sun san ina za a ina za a fita kenan a ɗora application su bisa priskin decision. Hey, eh, merci. Le jeune il a dit motion. la motion passe. Effectivement, j'avais un cri de cœur à lancer. Tout à fait. Parce qu'en réalité, mhm. on voit les gens font des quêtes mhm. sur le plan international au nom d'Agadez. Mhm. Pourtant que la population autochtone d'Agadez ne bénéficie de rien. Aujourd'hui, on prend un fonds, on prend au nom d'Agadez et on entretient des migrants qui sont entassés dans le centre. Ça, c'est pas logique. Et ça, ça frustre les gens. Aujourd'hui, un migrant est plus privilégié que toi en tant que Ça, je te le confirme. Merci, mon frère. Merci. On ne finira pas de parler. La femme est en train d'applaudir sur cette émission. On l'a dit en début d'émission, elle est une créature sacrée, on doit l'honorer. Est-ce que vous êtes particulièrement touché bon, Je dirais pour cette question de migration, mhm. le problème que ça a apporté nos papas qui n'exercent plus ces métiers de passeur. Donc si aujourd'hui le papa, le frère ou le cousin n'exerce plus ces métiers, c'est la maman qui est à la maison c'est elle qui va plus souffrir. On dit que c'est elle qui sera plus ah, affectée. Ah, parce qu'il y a les enfants qui sont là. Pour tout petit problème, c'est maman qu'on va voir. Et c'est elle qui est obligée de faire une petite AGR. Mhm qui va permettre à la famille veut dire de activité génératrice de revenus. Voilà. Ah, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous avons trois minutes de temps d'antenne. Pendant ce temps, chacun va s'exprimer sur la question suivante. Je commencerai par le nigériano. Nous sommes en 2021. Qu'attendez-vous des nouvelles autorités et leurs partenaires pour sauver ces espaces Attendez d'abord. D'abord, avant de commencer, mhm. C'est une suggestion que je demande au groupe Kalangu. Ah. C'est C'est genre des émissions qui donnent l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer librement, tranquillement sur des sujets qui les concernent. Je pense que le studio Kalangu doit revoir ses horaires, doit revoir les timings qu'elle va donner aux gens. Moi, je pense que 35 minutes, c'est vraiment insuffisant et c'est insuffisant pour donner la parole à plus de 7 invités ou 10 invités. Tout à la FADA, elle est suivie partout au Niger. Je pense qu'une heure de temps ou 35 minutes, c'est insuffisant. Il faut qu'on nous donne deux heures de temps ou trois heures de temps. Non, ça c'est clair. Ça, c'est mon avis. Hein. Je n'ai pas dit que je dois le partager avec X ou Y. Merci. 2021, qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités eh, tchéchi autorité ga. Mhm. bani, bay. bani, les ex passeurs mm. quand ils ont gars espoir, mm. ils plus de 5 ans, ils ont Quand c'est, ils il 1 million 500 au gars. Oh, 1 million 500, mais 1 million 500 aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ex-passer, il est là, il attend. Point. Il faut qu'il une amélioration au dun, à nos à projet Irma, Irma. Irma, 30 secondes. Qu'est-ce que vous attendez On cherche des solutions, des perspectives, des issues de sortie. Moi, ce que je dirais aux nouvelles autorités mhm. et aux partenaires financiers et techniques, mhm. c'est d'écouter vraiment la population. Mhm. Quelqu'un d'autre ne peut pas savoir le problème qui vit les autochtones d'une région ou d'une autre. je vous demande de lui faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Monsieur. Nous l'avions dit, hein, abrogation pure et simple de la loi 036 abrogation pure et simple. Vous ordonnez, vous exigez ou vous recommandez Nous demandons. Vous, vous demandez. Merci, monsieur. 30 secondes pour le président communal. Continuons ce que nous avons commencé. C'est une information que je vous donne. Il y a une première erreur qui s'est passée. On a avalé. Cette fois-ci, si on n'a pas impliqué l'association des ex-passeurs, la coordination des FADA, l'association régionale des sans-emploi et autres structures qui n'ont pas été invitées de l'exécution de ces projets, mhm. euh, ça va péter. je prends l'engagement de suspendre toutes ces Notre Ne Notre que ça ne pète pas. Il faut pas que ça pète. On finit avec le président tout compte eh. porte désert kenan a zo a apliken mutanen gaba daga can za a hauro komite daga koya mai ko nuri a zo nan da mutane su ne aktar na immigrant shi kenan alors on va finir avec le président monsieur le président l'instant est solennel vous avez une minute de temps d'antenne tout ce que vous avez pour qu'on trouve des solutions des perspectives des issues de sortie donc ku cikin wanga wai dullum su muke so muna sauran ka dukkan Niger yana sauraron ku eh, ni abin da zan cewa kamar da abu kai na suka gai bus luwa'in nan adiba ta saboda luwa'in nan kamar mutanen agar ne kawai tattaba hmm. za ka ɗauko migran daga niamey mhm. ka yi traversan duka bariyar sai ka kashi nan in za a doka shi a kai shi durku sai a kama ka luwa ta yi aiki kenan ka gani luwa'in nan ya kamata adiba ta eh, na biyu kiran da muke ga wannan gwamnatin da ya hau kamar da kin yi na suka ce muna da labarin za a samu kudin da za a tallafa ma ex passer din me wanga gami game da suka gaya muku association nation inda da san amfuluwa ba mu yarda a yi irin na farin da aka yi saboda na farin da aka yi an ta cikin error muka aka bar duka leken komin kowa kalis din shi har aka zo aka ba ma wanda yake ba aka ba me wanga gami muna son identification in nan sai an sake ta ta a nemi a san asuwa ne vrai acteur wanda ke da ghetto da wanda ke wanga aikin da direba saboda mu duka mun san juna duk masu wannan aiki sun merci monsieur le président c'était donc les humains et la machine c'était le studio Kalangu au cœur de l'Aïr au rythme du Niger le programme jeune du studio Kalangu l'émission Salafada. Salafada rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro Inch'Allah